le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou forum du studio forum du studio forum du Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du Forum de la presse du studio Kalangou. Dans le forum de ce vendredi 3 mars 2017, nous ferons le point sur la visite du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, le week-end dernier et l'annonce qu'il a faite d'un appui militaire par la France de 80 hommes pour la sécurisation de la région de Tilaberi. Une visite qui intervient quelques jours après l'attaque meurtrière menée contre une patrouille nigérienne à Interzawan, non loin de Tiloa, localité située dans le département de Walam, région de Tilaberi. Retour sur la sortie médiatique récente du maire central de la ville de Niamey mais qui rend le silence et réagit face au dire du ministre des Finances. Il y a deux semaines, le ministre des Finances expliquait face à la presse, je cite, Si le maire ne paie pas ses salariés, c'est à lui, il n'a rien du tout au trésor. Chaque fois qu'ils ont de l'argent au trésor, ils l'ont pris. Fin de citation. Et puis ouverture ce matin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017, à suivre dans ce forum l'analyse de nos confrères sur les défis à relever par le parlementaire. Enfin, vous le savez, la semaine a été marquée aussi par la visite officielle du président de la Fédération internationale de football, Gianni, Infantino, qui a inauguré mardi à Niamey un centre un centre technique financé par l'organisation au profit de la Fédération nigérienne de football. Que retenir de ces gestes de la FIFA et comment capitaliser ces ressources acquises Réponse dans ces forums. Comme chaque vendredi, nous recevons des confrères de la presse audiovisuelle ou écrite pour discuter des faits et en dominer l'actualité de la semaine. Ce soir, nous sommes avec Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Et Sekou journaliste chroniqueur sportif à La Voix du Sahel. Bonsoir. Bonsoir Kouzi. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou. Nous débutons ce forum par cette sortie médiatique du maire central de la ville de Niamey, faite hier. Hassan Sedou rend le silence et réagit face, à aux propos du ministre des Finances. Il y a deux semaines, le ministre des Finances a expliqué face à la presse, je cite, si le maire ne paie pas ses salariés, c'est à lui il n'a rien du tout au Trésor. Chaque fois qu'ils ont de l'argent au Trésor, ils l'ont pris. Fin de citation. Le ministre des Finances ajoute aussi que malgré les difficultés de la mairie, le maire central paie ses fournisseurs. Je vous propose de suivre un extrait de la réaction du maire central de la ville de Niamey, Hassan Seydou. Depuis mon installation, hormis les salaires, je n'ai jamais bénéficié de retrait important du Trésor. À deux exceptions près. Lors de la visite d'État du président français le Trésor a consenti le retrait de notre compte de 270 millions pour le toilettage de la ville. Et dernièrement, dans le cadre de la récupération des domaines publics communément appelés déguerpissement, on a été autorisé également à décaisser 250 millions. Tous les fournisseurs importants ainsi que les salaires sont envoyés au Trésor qui se charge des règlements je devrais signer ici que, constatant la tendance, nous avons demandé et écrit au Trésor pour privilégier les salaires. En outre, nous n'avons jamais opéré de paiement de fournisseurs dans aucune banque de la place. Et d'autre part, nous n'avons jamais non plus emprunté un centime aux banques de la place. Nous estimons jusqu'à preuve du contraire que la mairie dispose bel et bien de fonds au trésor conformément au Code des impôts. Hassan Seydou, président du conseil des villes, maire central de la ville de Niamey, que vous venez d'écouter, c'était là sa récente réaction face aux propos du ministre des Finances. Alors, je m'en vais commencer avec vous, Saini Issa, journaliste indépendant. Euh, quelle analyse euh, vous inspire cette sortie médiatique euh, du maire central qui, depuis longtemps, les gens l'ont dit, est dans un silence incompréhensible selon les syndicats de la ville de Niamey le premier constat que je peux faire par rapport à la réaction du maire, réaction-réponse à Massoudou, le premier constat, c'est qu'il y a une incohérence au niveau de la gestion de l'État. Il y a une incohérence. Le ministre des Finances dit que la mairie centrale n'a pas un COPEC. Elle dit qu'ils l'ont pris. Ils le prennent régulièrement et qu'aujourd'hui le maire sort, il dit non, ça n'a pas été ainsi. Eux, ils n'ont pas. En tout cas, ce qu'il a pu faire comme dépense, parce que je l'ai suivi, c'est par rapport à deux événements, je crois, l'arrivée de François Hollande, François Hollande et, l'opération de euh, d'égarpissement. L'opération d'égarpissement. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. S'il n'y a pas une harmonisation de points de vue, au niveau de la gestion de l'État, c'est ça le constat, le principal constat. Maintenant, qui de Massoudou ou du maire central a raison Ça, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut investiguer. Parce que les agents accumulent aujourd'hui 8 mois de salaire. Oui, oui, 8 mois d'arrêt de salaire. 8 mois d'arrêt de salaire pour des pertes de famille il y a un problème quelque part. Et il faut confronter les chiffres. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais toujours est-il dit qu'ils sont en train de se dévoiler eux-mêmes. Qui Les gens qui sont au niveau du système. Ils se dévoilent. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas, le ministre des Finances dit, le maire soit il dit non, c'est pas comme ça. Il se dévoile. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de détournement, il y a des problèmes de transfert d'argent, il y a des problèmes qui se posent au niveau social parce que la question est sociale d'abord. D'accord, nous allons revenir à, vous le temps de, donner la parole à Jafar Maman du journal L'Indépendant. Alors Jafar, vous avez suivi avec nous le maire central euh, qui, vient de réagir deux semaines après euh, la sortie du ministre des Finances. Oui, euh, moi je constate personnellement euh, d'abord un retard de, réaction, puisque face à la situation que connaissent les agents de, la ville de Niamey, euh, et, vu ce que ça représente, les propos de Massaoudou, le président du conseil devrait réagir, moi, à mon humble avis, euh, le 24 heures qui, ont suivi la sortie de vous pour un peu clarifier, parce que vous ne pouvez pas laisser quand même euh, des, fonctionnaires qui ont accompli leur devoir en tant euh, qu'employés et des pères de famille, huit mois durant sans salaire, et comme vous accuse d'avoir tout vidé comme ce que vous avez dans les trésors, et la réaction vient à peu près euh, plus de deux semaines. Ça veut dire qu'il y, y, a quelque chose qui ne va pas. Euh, l'autre réaction, c'est euh, ça veut dire que Hussein l'a dit, il y a une incohérence au niveau de la, de la gestion de la chose publique. Voilà un ministre des Finances qui est venu pour inspirer, une dynamique, qui est venu avec un label d'assainissement des finances publiques, et voilà qui euh, se trouve qu'il donne une information et le concerné la rejette. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait véritablement. Euh, Mais selon, selon, les, explications de l'un et de l'autre, euh, où situer la responsabilité de l'accumulation des arriérés des agents de la mairie moi, moi, je vois la, responsabilité des, autorités de, ville de, la ville de Niamey. Parce que euh, avant même que Oud ne dise voilà leur situation, euh, le président du conseil de ville devrait sortir face à cette situation, huit mois d'arriéré, sortir et donner sa version de fait. En cet temps là peut-être il allait, il, aurait dû euh, peut-être lancer un SOS au gouvernement pour solliciter ne serait-ce qu'un qu'une sorte de d'avenant en attendant qu'ils aient véritablement leurs fonds. Ah. Mais maintenant que le débat euh, avance de façon gravissime, puisque au-delà des arriérés qu'ils n'arrivent pas à payer, et voilà une guerre de, vous n'avez pas d'argent, jeu de l'argent, ça veut dire qu'il y a une, situation de malversation à comprendre. Et secondo, c'est que euh, j'ai eu du mal à comprendre, je suis pas dans le secret de, euh, la gestion du conseil des villes. Du moment où vous avez une situation aussi euh, délicate de point de vue euh, financier, de la gestion administrative, euh, moi je ne vois pas en quoi une opération de dépenses au niveau de, dépenses de, de l'argent pour l'arrivée de Hollande pour le Conseil des villes, alors que vous avez une urgence à régler les salaires des employés. Alors, Sekou journaliste euh, au niveau de La Voix du Sahel, vous avez suivi avec nous le maire central, vous avez suivi aussi les commentaires euh, de nos confrères. Oui, tout à euh, fait. Moi, je pense que tout à l'heure, on parlait de réaction tardive. Effectivement, elle est tardive, mais il faut aussi comprendre le contexte. Voilà un ministre des Finances qui sort, qui dit que voilà, il n'y a pas de COPEC, forcément, euh, c'est son partenaire direct. Le, président du conseil de ville est obligé d'aller. En tout cas, c'est Massaoudou qui décaisse l'argent. Donc, vous voyez, c'est vraiment délicat pour lui de vouloir tout de suite répondre. Et cette réponse, c'est vrai que ça reprend une exigence. Il fallait forcément sortir pour dire exactement la situation. Mais euh, je pense que cette sortie est l'expression d'une frustration. De qui du, du, maire central, parce que c'est vrai, il a accumulé, il a accumulé, on l'a on l'a en tout cas traité de tous les mots, que c'est lui qui est à la base de ceci, de cela, mais il n'est jamais sorti au grand jour pour dire exactement la situation. Mais maintenant que les langues se sont déliées, maintenant que eh, il n'a plus peur, parce qu'il avait peut-être une peur de tout perdre avec euh, maintenant, je crois que eh, c'est en tout cas, c'est une situation difficile qu'il va en tout cas gérer parce qu'il n'aura pas de COPEC et finalement, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont même la lever il faut dans les tout prochains jours espérer ou en tout cas voir que eh, s'il va continuer à rester là où il est parce que vous savez bien que c'est Massaoudou qui l'a qui mis là où il est. Et aujourd'hui, s'il retourne la manivelle pour dire que non, il n'est pas d'accord, il contredit les propos de Massaoud, ne soyez pas étonné de le voir dans les prochains jours. C'est vrai qu'on a donné six mois de, rallonge à ces Omer, mais ne soyez pas surpris qu'il soit euh, la prochaine victime. Quel, rôle du ministère de l'Intérieur face à tout cela qui, est chargé notamment de la décentralisation <laughs> Est-ce que vous avez une fois entendu le ministère de l'Intérieur se soucier de, cet aspect-là Mais est-ce, qu'il n'est pas de son rôle d'agir Oui, mais, mais puisqu'il ne peut pas agir c'est Le ministère des La, grosse difficulté, les finances eh, connaissent d'énormes difficultés. Donc vraiment, c'est une situation que tout le monde sait que tu ne peux pas, on ne peut pas vouloir eh, travailler pendant huit mois sans salaire. C'est difficile, socialement insupportable. Mais le contexte étant ce qu'il est, les gens, ils vous brandissent le contexte financier difficile du moment. Bon, donc, euh, imaginez un peu ces, pertes pères de famille, 8 mois sans salaire. C'est vraiment euh, la déconfiture, puisqu'il n'y a même pas de famille. Mais maintenant, je pense que euh, tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas régler ce problème. Vous savez bien qu'on a même voulu leur attribuer des parcelles pour pouvoir atténuer la chose, mais ce n'était pas facile. Et je pense que maintenant, la sortie médiatique de ce maire central et vraiment, euh, une frustration. Alors, c'est un tout autre point c'est ce matin que la session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017 s'est ouverte. Une session dite des lois. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le traditionnel discours du président de l'hémicycle, Hussein Itini. Ce dernier a abordé plusieurs questions d'actualité, dont l'insécurité, les questions des droits de l'homme, entre autres. Il a également apporté euh, porté une appréciation sur la question de l'assainissement et la lutte contre la corruption. Hussein Itini, président de l'Assemblée, que je vous propose d'écouter en matière de gouvernance. L'Assemblée nationale, certainement comme tous les Nigériens épris de justice, ne peut que saluer et encourager la détermination inébranlable du président de la République à combattre et à vaincre l'impunité. Au nom de mes collègues députés, je l'exhorte à porter la guerre à la Commission. Il ne s'agit plus de punir quelques-uns pour l'exemple, mais plutôt de faire comprendre à tous que la Renaissance est porteuse d'un code d'éthique dans lequel nul nomenclatura intouchable, dans lequel la loi est la même pour tous, dans lequel il n'y a pas de petit lacin saillissant des biens publics. Que donc la Hatia et tous les organes de contrôle conduisent en toute sérénité la mission qui leur est confiée, sans haine, sans crainte, pour la sauvegarde de l'intérêt général, pour la protection de notre économie et l'arracinement de l'état de droit. Nitini, président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il a annoncé aussi des réformes auxquelles l'Assemblée compte s'atteler. Nous l'écoutons. En matière de l'Assemblée nationale, certainement comme tous les et de justice 2017, alors, euh, nous avons un petit souci technique pour euh, écouter cet élément, mais déjà, je m'en vais vous demander, euh, Sekou Biri, journaliste euh, au niveau de la Voix du Sahel, le président de l'Assemblée qui, fait des commentaires sur la, question de l'assainissement, de la lutte contre, la corruption, et qui demande que cette lutte ne soit pas subjective. Bon, c'est vrai que c'est quand même étonnant. De, on pensait qu'il n'allait pas, en tout cas, prendre ce côté. C'est bien si lui-même, il remarque que les petits larcins sont en prison et que ceux qui ont volé les gros, les gros euh, ceux qui ont fait les gros détournements sont encore à euh, liberté. et ils vaquent normalement à leurs occupations. Je pense que également c'est un coup de boutade du, président de l'Assemblée. Certainement c'est pour recadrer la, euh, la, chose au niveau du Parlement. Il faut que justement si le président de l'Assemblée dit que c'est il faut assainir, moi je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que quel moyen dispose-t-il justement pour obliger les gens à aller à l'assainissement Je crois qu'aujourd'hui peut-être c'est c'est un clin au président de la République, mais je pense que seul le président de la République, peut aujourd'hui, justement, avec sa bonne volonté, il peut vraiment assainir. Mais je pense que assainir là, euh, ça va être très difficile. Je ne crois pas trop. Alors, euh, Jafar Maman. Oui, euh, moi je dirais dans le discours du président de l'Assemblée, on voit déjà une sorte de, de tradition qu'avait perpétuée à l'époque à son temps le président de l'Oumana euh, quand il était quand il était président de l'Assemblée qui sort à chaque fois euh, qui touche euh, à chaque fois là où ça fait mal, que ce soit du côté de la société civile ou du côté des partis politiques ou même du côté des médias et même de, de la gouvernance de sa majorité. Il a toujours à cette occasion attiré l'attention des Nigériens, des citoyens euh, à, l'ouverture de l'Assemblée. Ça veut dire qu'en en retrouvant quelques mots et ces, soucis de, pour l'actuel président de l'Assemblée, euh, de rappeler, moi je l'appelle une sorte de rappel à, l'ordre euh, de, toute la chaîne de lutte contre la corruption, on sent une certaine recadrage euh, des discours que depuis peu on considère qu'il ne fera pas mieux que, que euh, l'autre président. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi je dirais que pour que son souhait là soit une réalité, il faut que l'Assemblée, les parlementaires s'associent à cette lutte-là. Comment ils peuvent s'associer On sait qu'ils ont des mécanismes et des dispositions à l'intérieur du Parlement qui permettent de mettre euh, une sorte de, euh, d'organe de, interne de suivi un exemple, Un exemple euh, Vous savez que dans, dans les cas de, certaines malversations, l'Assemblée peut mettre en place une commission qui puisse accompagner d'enquêtes parlementaires. Je pense que l'Assemblée peut, à côté du gouvernement, mettre une commission d'enquête parlementaire pour savoir l'objectivité de, de, de, la lutte contre la corruption. Parce que euh, le discours, oui, mais ils ont, ces prérogatives-là. À travers euh, des, des, des, dispositifs comme le réseau parlementaire euh, Même pas le réseau. L'Assemblée souveraine peut mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour le suivi de, cette, opération de, de, lutte contre la corruption. Hussein Issad journaliste indépendant, alors, euh, quel commentaire <coughs> sur, le discours du président de l'Assemblée au saint Le discours ne sert à rien. Absolument rien. Il demande quand même qu'il encourage cette opération. On a entendu ce genre de discours combien de fois dans ce pays Moi, je dis, il faut que les institutions soient véritablement indépendantes. C'est d'abord l'indépendance, il faut assurer l'indépendance des, des, institutions. C'est-à-dire que le Parlement est ce n'est pas parce que je suis de tel bord politique que je vais venir. Il y a un, de nos militants qui est inquiété parce qu'il est ministre. Non, c'est bien beau le discours, mais il faut qu'on dépasse le stade de discours pour aller au stade pratique. Quelqu'un qui vole, quand on prend quelqu'un qui, qui, qui, vole un morceau de pain, et peut aller en prison. Aujourd'hui, l'affaire, par exemple, des 200 milliards est là il y a beaucoup d'acteurs qui sont sortis pour demander à ce qu'une commission parlementaire. Vous pensez que c'est l'un des défis euh, pour, les défi. parlementaires C'est un gros défi. C'est un gros défi. Quand on s'attaque à des menus frétins pendant que des gens, et des gens sortent encore pour narguer les citoyens, en faisant comprendre que non, c'est pas comme ça, ça s'est passé. On n'a eu que 800 millions. Non, il faut qu'on arrête. Donc l'Assemblée a un rôle à jouer. moi j'ai dit, le rôle, d'abord, d'abord, le pilier principal, c'est la justice. Il faut que la, justice soit indépendante. C'est-à-dire, qui qu'il soit. Et là, on parle de l'Assemblée. Le procureur peut se saisir de n'importe quelle affaire. De la même manière qu'on a vu dans l'affaire des bébés importés, la justice devait se saisir de ça pour traiter la question. On ne va pas attendre que chaque fois ce soit. Mais quand le politicien sort, mais même quand il fait son discours, il met les mots pour montrer qu'il y a une volonté. Mais malheureusement, il n'y a pas la volonté. Et on est dans cette logique-là. Et tant qu'on restera dans cette logique, il ne faut pas s'attendre à une quelconque avancée en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Le premier instrument de lutte contre la corruption et l'impunité, c'est d'abord la justice. Et l'Assemblée. Et l'Assemblée. l'Assemblée, c'est des politiciens c'est pas autre chose, c'est des politiciens qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est des politiciens qui vont s'entendre. Mais ils ont quand même des, mécanismes de déclenchement. a vu, les mécanismes de déclenchement, ils n'ont pas de mécanisme. Ils peuvent mettre des commissions parlementaires en place. Et on a vu les limites. Ils vont aller sur le terrain, ils vont travailler, ils vont revenir, ils vont faire les constats. Mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. On a vu dans le cas de Samira, en 2000, euh, sous la 5e République, ça a donné quel résultat Aujourd'hui, le, Samira même a été vendue. Euh, mais il faut qu'on arrête. Il faut que, véritablement, si on veut lutter, ce n'est pas mettre en place des dispositifs. Non, c'est qu'on laisse la justice faire son travail. C'est ça le plus important. C'est Koubéry, quel autre défi vous pensez euh, que les parlementaires doivent relever pour euh, justement aller dans le sens de, la lutte ah, contre la corruption notamment c'est vrai que pour le moment, c'est vrai que les défis sont nombreux. Dieu seul sait, il y en a tellement, on ne peut pas faire aussi l'inventaire. Mais moi, je pense que le premier gros défi, c'est celui-là. D'abord, cette histoire de 200 milliards, il faut faire la lumière. 200 milliards. 200 milliards, il faut faire la lumière. Cette histoire de coupure d'électricité, il faut en parler. Il y a tellement de problèmes. Le problème de salaire également, il faut en parler parce qu'il y en a qui ont 8 mois sans salaire. Je pense que c'est des, des cas qu'il faut vraiment véritablement traiter. à travers des interpellations Non, je pense que c'est ce que. À l'Assemblée nationale. L'Assemblée n'a pas véritablement une marge de manœuvre le coup, le discours du président, c'est un coup de, c'est un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que, quelle marge il a pour aujourd'hui obliger à faire l'assainissement Ce n'est que, euh, on est au stade du discours. Sinon, je ne pense pas et je le dis au effort que, en tout cas, l'assainissement là, le seul responsable qui puisse euh, également euh, le, mener, c'est le président de la République. Si aujourd'hui il décide de faire l'assainissement, il va le faire. Mais sans l'Assemblée, ça ne peut pas réussir. L'assemblée, une assemblée non, c'est que l'Assemblée. Jafar Maman, vous pensez que l'Assemblée ne, peut pas jouer un rôle principal pour, euh, donner de l'élan Il y a le rôle fondamental, Hussein l'a relevé, de celui de la justice. Euh, si véritablement on, s'engage à créer les conditions euh, à la justice de faire son travail, on n'a même pas besoin de l'Assemblée. Parce qu'on a des précédents il y a euh, pendant le premier mandat, on a vu une loi sur, euh, sur l'enrichissement illicite quand elle, a atterri à l'Assemblée. Ils l'ont complètement charquité, ils l'ont dénaturée parce qu'ils il se trouvent les premiers euh, dans les collimateurs de cette loi-là, parlant de parlementaires. Ça veut dire que, puisque nous sommes à un stade où peut-être c'est de réfléchir pour renforcer la justice. En attendant de renforcer la justice, j'ai dit peut-être que si tous les euh, bords euh, euh, parlementaires s'engagent, comme déjà certains ont commencé à, annoncer leur intention de, se démarquer. voilà, se démarquer, qui sollicitent une commission parlementaire pour s'intéresser, prendre en charge la question de 200 milliards. Ça veut dire que si on peut avoir, et pas seulement le Parlement, puisque le Parlement, on l'a dit sur ce plateau, c'est des politiciens. Mais à côté d'eux, il faut qu'il y ait une force de pression. Il faut qu'il y ait une sorte d'épée de, Damoclès. Euh, et ça, ça ne peut venir que de la société civile. Alors, euh, 18 heures passées de 40 minutes, euh, le forum de la presse se poursuit. Sur le plan sécuritaire, ce week-end, le Niger a reçu la visite du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, une visite qui intervient quelques jours après l'attaque meurtrière menée contre une patrouille nigérienne à Interzawan, non loin de la localité de Tilwa, située euh, dans euh, la région de Tilaberi. Euh, Oseini Issa, D'abord, un commentaire euh, sur le bilan humain de l'attaque de Tilwa. je vais dire partout où ça a marché au monde là, c'est que la justice est indépendante. La justice fait Vous parlez de quoi Je parle de l'affaire de, corruption, de lutte contre l'impunité. Nous ne sommes plus dans ce chapitre. d'accord. Je suis en train, je voulais juste préciser, pas le président de la République. Le président de la République. En 30 secondes pour attaquer. pour, Il faut qu'on, il faut qu'on se mette ça dans la tête. La justice est une institution indépendante qui doit être indépendante aux États-Unis Trump qui vient d'arriver. Parce que vous pensez que la justice nigérienne n'est pas indépendante. Non, mais malheureusement, malheureusement, tel que ça se passe, malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il y a une indépendance. Alors, Maintenant, répondez par rapport, à cette question. Par rapport à l'attaque. Par rapport à l'attaque. La visite du ministre français. Oui, mais bon, je vais dire. Il est venu visiter et il dit qu'il va renforcer 80, 80 euh, combien 80 Dans la région, le nord, il a vieilli. la région nord, il a vieilli. On a combien de bases militaires là-bas Ils vont venir faire des quoi renseignements. 80 militaires peuvent venir sécuriser cette zone-là. Il y a combien de bases militaires Non, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire où on met les moyens à nos troupes pour qu'ils défendent efficacement. Et c'est des troupes qui sont valables. Les soldats viennent sont vaillants. Ils vont venir chercher quoi S'il y a une base à Tilabé, il y a une base à Tiloua, il y a une base un peu partout dans la zone. Et on n'arrive pas à, éradiquer et à empêcher, comment on appelle ça, les attaques récurrentes. Moi, j'ai dit, ce n'est pas 80 hommes qui vont venir. Mais même chez eux, ils sont, victimes de terrorisme. Ils n'ont qu'à rester chez eux défendre. Pourquoi on va continuer à faire venir des gens On ne sait même pas à quoi ils servent. Quel inconvénient Vous pensez qu'il y a un inconvénient Mais moi, je ne trouve pas l'utilité pour moi, il n'y a aucune utilité. Ni la base française, ni la base américaine, ni la base allemande qui est en train de vouloir être implantée. Nos hommes, nos forces de défense ont toujours été euh, vaillantes. Avant que. Euh, on a toujours. On s'est toujours défendu. Pourquoi aujourd'hui on va se mettre dans une logique où c'est quelqu'un qui va venir nous défendre C'est Kouberi, de la Voix du Sahel, qu'est-ce que, vous pensez euh, par rapport à l'assistance militaire D'abord sa visite, c'est sûr que c'est une visite politique, il est venu certainement, bon, mais on met en avant l'aspect sécuritaire. Mais ce qui est sûr, je pense que euh, la proposition ou parce qu'ils pensaient peut-être que ça va faire un coup d'éclat, mais je pense que ça ne, veut rien dire, absolument rien. Je pense que, est-ce que vous connaissez la superficie, le nord la là, est-ce que 80 soldats peuvent sécuriser cette... Non, il faut qu'on arrête. Moi, je pense que vraiment, s'ils peuvent nous aider dans les renseignements, je pense que, et même ça, ils ne le font pas parce qu'ils sont tout autour. Ils sont à Gadez, ils sont un peu partout. Et je pense que euh, moi je ne vois rien. Tout le temps on attaque nos soldats. Il n'y a pas de même l'information où on dit qu'ils sont spécialisés, on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Pardon, je pense qu'ils n'ont qu'à aller ailleurs. Déjà qu'il y a la ministre, comment ça s'appelle, les troupes euh, ministres Barkhane, là, il y a déjà Barkhane. Je pense que c'est une manière encore de venir nous emmerder, excusez-moi du terme. C'est nous, je pense que 80 soldats ne peuvent pas, en tout cas, eh, réguler, en tout cas, eh, empêcher que les terroristes viennent frapper. Je pense qu'il faut laisser vraiment les gens dans leur douleur et puis vraiment nous, donner l'expertise en matière de renseignement. Je pense que c'est meilleur. vous Est-ce que vous, ne voyez aucun avantage quand même que, euh, que les militaires Aucun avantage, moi, je, dirais de peut-être de euh, et de voir à euh, ces 80 militaires, ils viennent quoi, avec armes en tant que fantassins pour combattre aux côtés de nos troupes, ou c'est des techniciens qui sont venus nous euh, accompagner le renseignement nigérien et nous faciliter la guerre contre le terrorisme. Moi, je vois plus en ces termes. Euh, la lutte contre le terrorisme, moi, je ne la vois quand on parle de mutualisation de, de forces et d'énergie. Moi, je la vois toujours en termes d'accompagnement, de, euh, d'accompagnement de renseignement. la mutualisation de renseignement ça peut euh, nous permettre de peut-être de réduire les dégâts. Mais sinon, le terrorisme dans sa forme actuelle euh, euh, dépasse la forme traditionnelle et classique de, moyens de l'armée africaine et en particulier nigérienne. Signalons Ce qu'il faut, peut-être, il faut préciser. En termes de renseignement, c'est vrai, on, peut parler de secret défense, mais vu les attaques, il y a des, des, des faits très récent qui démontre que cette coopération-là ne marche pas. Ou si elle existe, elle ne marche pas. Quand vous prenez par exemple euh, les attaques euh, euh, dans la région, dans la région frontalière du, Mali, du, Mali. vous voyez que l'armée malienne et l'armée nigérienne, chacune dans sa, dans sa zone, dans sa frontière, sur son territoire, subit des pertes. Le Niger a perdu nos, 18 soldats ah, la veille, le jeudi. Le vendredi déjà, euh, l'armée malienne perd une vingtaine. Alors qu'il y, y a, la et l'armée, euh, l'opération euh, Barkhane. Ça veut dire qu'il faut repenser même le type de coopération militaire que nous avons. On a vu l'expérience, puisque je sais que ce n'est pas la même chose. Quand vous prenez la coopération que nous le temps file, je voudrais juste signaler, euh, euh, désolé de, vous interrompre, je voulais juste signaler que euh, récemment, hier notamment, les groupes djihadistes, à savoir Ansardine, Al-Mourabitoun et la Katiba Massina, donc du Nord Mali, se sont regroupés sous la bannière d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Selon leur communiqué, la nouvelle organisation prendrait pour nom Jamaat Nasr al-Islam ou al-Moumin, groupe pour la victoire de l'islam et des fidèles, et ce sera, ça va être dirigé par Dagali, une mauvaise nouvelle euh, pour la paix au Mali et au Niger Une mauvaise nouvelle, parce que si on s'inscrit dans la mauvaise nouvelle, c'est comme si on, est dans le charme de la communication de, ces terroristes-là. Ça a toujours été, quand ils, se, quand se sentent un peu en fragilité, ils inventent de, termes, changement de, guide, changement de, à la tête. Moi, ça ne change rien. J'ai dit, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, dans la forme actuelle que nous l'amenons, que ce soit entre les pays limitrophes, que nous partageons le Sahel ensemble, que ce soit avec euh, les, armées occidentales, il faut repenser la stratégie. Et le plus important à ce niveau, il faut impliquer l'Algérie. Moi, je, n'ai pas de, euh, soucis souci à le dire. Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre le terrorisme au Sahel, que ce soit au Mali, au Niger. Pourquoi, pourquoi l'Algérie Mais l'Algérie a une tradition de lutte contre le terrorisme. Et l'Algérie, moi, je vois plus même que l'Algérie a quelque chose à gagner dans, dans, dans, les terroristes. Hussein Issa, faut-il euh, faut associer l'Algérie dans cette lutte Sinon, elle sera une lutte euh, qui ne peut porter de fruits euh, à court terme. Bon, mais ben, il faut se dire une chose, c'est que <laughs> c'est une guerre asymétrique. C'est des gens, c'est des groupes qui ne sont pas connus officiellement. Et même les chefs dont on connaît les noms, on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que moi. L'union de forces. L'union des forces. L'union des forces. G5 Sahel, on a vu. On a décidé de la mise en place d'un certain nombre, on a mutualisation des forces. Que chacun défende d'abord dans un premier temps. Créer les conditions pour que son territoire soit sécurisé. Mais la dispersion des forces ou la présence des forces étrangères, c'est ça qui attire aujourd'hui. Parce que c'est une délocalisation du conflit. Les forces étrangères qui sont là, ça attire. Vous pensez que c'est eux qui attirent euh, les terroristes Quelque part, oui. Moi, je me dis quelque part, c'est ces forces-là. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça Non, mais parce que tout simplement, on a vu partout où ça se passe. Même quand ils attaquaient à l'époque, quand ils ont commencé à attaquer, c'était des intérêts occidentaux qu'ils attaquaient. Ils n'attaquaient pas des bases militaires. Ils Mais après, quand ils ont vu la situation, ils se sont dit non, on va s'en prendre aussi à ceux-là qui aident ces gens à venir s'installer. C'est ça, ça, fait une délocalisation De, vous pensez comme lui qu'il y a une délocalisation du conflit Bon, je pense que délocalisation ou pas, euh, le vrai problème, il est là. Chaque fois, on a les attaques de part et d'autre de nos frontières, la frontière à l'est, la frontière à nord tilabéry finalement, tout le long jusqu'à la région de d'Agadez. Vous voyez bien que c'est je pense que euh, il faut que il faut recadrer. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de recadrer. Moi, je pense que il faut, au-delà du, discours politique, de mutualiser ceci, de mutualiser cela. Je pense que le vrai problème, il faut d'abord donner à nos forces. Nos, nos forces, euh, sont vaillants. Tout le monde connaît quand même leur euh, bravoure. Il faut leur donner les moyens. Il faut faire confiance en eux. Il faut avoir confiance en eux parce que quand vous vous, vous amenez des, des, des, des troupes euh, extérieures, ça, ça il y a un peu de frustration dans la chose. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin justement, c'est de donner confiance à cette armée et d'utiliser justement l'expertise de ceux qui sont là, là, Barkhane, etc., Minisma, G5, G8, euh, je ne sais pas. Mais ça veut dire que c'est des, des, coquilles qui n'ont pas grand-chose. Parce euh, que malgré tout cela, on est toujours attaqué et malgré tout cela, il y a toujours des victimes et les victimes, ce sont les soldats nigériens. Alors, sur un tout autre plan moins grave que celui-ci, euh, donc cette fois-ci, une autre visite dans le domaine du sport, c'est la visite officielle du président de la Fédération internationale de foot football, Gianni Infantino au Niger. Ce dernier a inauguré mardi dernier à Niamey un centre technique financé par la FIFA au profit de la Fédération nigérienne de football. Bâti sur 12 hectares, le centre est composé de trois stades, d'un complexe hôtelier, d'une infirmerie, d'une salle de musculation et de dortoirs et des bungalows. Je signale que c'est votre domaine de prédilection, Sekouberi. Que retenir de, de, ce geste de la FIFA et comment capitaliser ces ressources acquises Ce geste, euh, c'est la FIFA, vous savez, euh, a pour tradition, euh, de, en tout cas, de financer les projets au niveau de ces associations sportives nationales. C'était ça. Non, j'ai dit que national, les fédérations, les différentes fédérations, chaque année, la FIFA et avec son projet goal, nous on est au cinquième au Niger, mais il y a des pays qui sont au premier goal, au deuxième goal. Tout dépend de, de la manière dont vous utilisez les fonds que la FIFA met à votre disposition. Vous, vous mettez, vous, vous demandez par exemple la création d'un hôtel et vous faites le devis, tout ça, et eux, vous leur transmettez. Maintenant, c'est eux qui traitent directement avec euh, la personne, donc, éducatrice euh, du marché, et c'est eux qui traitent avec l'architecte. La fédération n'a rien n'avoir avec euh, jusqu'à ce que l'hôtel soit finalisé. À ce moment, on donne en tout cas euh, à la Fédé un hôtel bien garni, bien fourni. Comment capitaliser ces, ces, acquis Oui, je pense qu'au euh, niveau de la fédération, ils sont en train de penser comment. Mais d'ores déjà, on a, je crois, choisi l'option de vouloir justement mettre l'hôtel et peut-être même la salle de musculation. Il y a une piscine dont vous n'avez pas parlé et où les enfants également avec des toboggans pour les enfants. Je pense qu'il y a des terrains de football aussi. Il y a également euh, un terrain de Maracana qui est en train d'être finalisé. Je pense qu'il faut peut-être, parce que la FIFA justement exige que ces infrastructures euh, à la disposition de la fédération soit rentabilisée Donc, je pense qu'au niveau de la fédération, ils sont en train de penser comment justement rentabiliser cela. Et, je, et la dernière information que nous avions, c'est que l'hôtel sera mis en gestion libre. Donc, euh, il y aura des gens qui vont lancer euh, leur euh, intérêt pour l'hôtel et que bon, eux, ils vont signer une convention, ils vont les céder l'hôtel à à qui veut le prendre pour, une bonne gestion. Alors, d'aucuns pense que cette visite du, président de la FIFA a aussi un autre objectif euh, électoral. c'est lui de, demander euh, au président euh, de la FiniFoot de supporter la candidature du Malgache contre celui du Cameroun. En tout cas, ça n'a pas été élu. Même le colonel-major l'a dit dans, sa conférence de presse avant l'arrivée pour dire qu'il ne vient pas ici pour lui donner, pour lui demander de voter X ou Y. C'est vrai que euh, les gens, les journaux n'ont ont parlé. C'est vrai qu'il y a une fronde au sein de la CAF. C'est vrai que beaucoup veulent du départ de Issa C'est vrai qu'après mais ce n'est pas toujours vérifié, vous pensez Non, ce n'est pas, puisqu'on n'a pas véritablement l'information. C'est vrai qu'Infantino a rencontré une partie à Paris, une partie en Afrique du Sud, au Zimbabwe, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre. Jafar Maman euh, du journal Indépendant. Oui, bah, peut-être que je commence par, euh, là où... Euh, Rapidement, nous n'avons que 4 minutes. Justement, quand vous avez un peu l'historique de processus de l'élection d'Infantino, vous comprendrez que euh, pratiquement la, CAF n'a pas opté pour, euh, n'a pas voté euh, pour lui. Ces enjeux-là peuvent être dans, les discussions. Comment faire en sorte que la CAF soit relouquée, permettez-moi l'expression, et faire en sorte que ce sont ces protégés qui arrivent. Qu'est-ce que j'appelle ces protégés Ces partenaires qui puissent le voter prochainement pour son second mandat au cas où on en arrive, sinon on est même loin de ça. Maintenant, parlons de ce que nous, nous, avons eu, nous, estimons gagner dans sa gouvernance du premier mandat. Moi, je, sans être dans les secrets des journalistes sportifs, mais je dirais que, et même de la, de la Fédération nigérienne de football, je dirais que le plus important aujourd'hui, en plus des infrastructures, je ne sais pas si les autres volets que finance la, la, FIFA, mais je, je souhaiterais qu'il y ait plus de lobbying pour qu'on ait des centres. Parce qu'on a des centres qui sont à l'initiative des nationaux et qui n'ont pas assez de sponsors, qui n'ont pas assez de moyens pour euh, euh, créer cette pépinière qui puisse prendre en charge euh, l'avenir du football nigérien. Ça veut dire que nous, l'espoir que moi je persévérais dans, dans ce genre d'échange avec, puisqu'on a la possibilité pour une fois que, je ne sais pas par le passé, qu'on euh, a la visite du premier responsable de la FIFA au plan mondial, ça veut dire que on a la proximité. Donc il, faut en profiter. Il faut en profiter. Ousseini Issa mais Moi, le premier constat que je vais faire, c'est que je constate que euh, ça a été beaucoup plus politisé que, que, l'accent sport. a été euh, omis euh, euh, non, je ne dis pas. Euh, c'est un centre, un hôtel de haut standing qui est venu. Mais moi, pour moi, le plus important, le football, d'abord, c'est des, des, joueurs, des gens qui vont aller sur le terrain. Mais ce n'est pas le plus important n'est pas de créer. On a vu le président de la République l'a reçu. Il devait et, on devait lui faire un dîner de gala ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, je crois qu'il a quitté le même jour. Il n'y a pas eu le dîner de gala. Et tout ça, moi, j'ai dit, quand un pays vous, vous rabaissez à ce niveau, non, d'accord, c'est le président de la fédération internationale, mais le ministre des Sports allait euh, encadrer tout cela. Vous avez trouvé exagéré que le président y assiste Mais il ne faut pas qu'on il faut pas, il faut pas. Moi, j'ai dit, il y a un président de la République quand même, mais à chaque fois que euh, euh, n'importe qui arrive, il peut. Non, je suis désolé de, le dire. Non, non, d'accord, ça je ne le sais pas. Moi, pour moi, c'est. il va finir. d'accord, euh, je ne le sais pas. Mais, le plus important pour moi, le plus important, c'est de mettre l'accent sur la formation et, et l'impulsion du football. Ce n'est pas les infrastructures. D'accord, les infrastructures sont importantes mais on n'a pas l'impression qu'il y a, et, comme dit, il y, a, une continuité, comme ça n'est pas dans les autres pays, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Sénégal, où quand il y a une génération qui passe, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui arrive. 18 heures passées. Ah, 18 <laughs> heures passées de 58 <laughs> minutes. Nous sommes à la fin du forum de la presse de ce soir. Nous n'avons pas le temps de tout dire. Nous aurons l'occasion d'en parler davantage. Nous étions en compagnie de Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Sekou Beri, journaliste chroniqueur sportif à la Voix du Sahel. Merci d'avoir été là notre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.